Amis internautes, bonjour et bienvenue à travers votre émission Sono Acoustique. Aujourd'hui, nous recevons un grand artiste, un grand artiste de la musique sénégalaise euh, qui a déjà prouvé partout, partout, je dirais pas seulement au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Je veux nommer Matador, un grand artiste de la musique rap galsen. Matador, bonjour. Bonjour, monsieur euh, ah, Merci pour l'invitation et salut tout le monde, tous ceux qui sont en train de nous suivre euh, dans le cadre de l'émission. Ben, nous sommes euh, ravis hein, mm. de vous rendre visite. Mm. je voudrais dans un premier temps savoir qui est Matador. Pouvez-vous vous présenter Oui, Matador, c'est pas compliqué. Hein. Je suis artiste, rappeur, salameur membre fondateur du groupe BMJ 44 de Tcharoy et président et fondateur de l'association Afri-Culture Ban. Super. Euh, je voudrais juste savoir, Matador, où est-ce que cela a commencé, la musique, et quand est-ce que cela a commencé Waouh, ça date de très, très, très, très longtemps. Moi, j'ai commencé étant vraiment petit, quoi, pas jeune, ça petit, euh, à suivre euh, la danse hmm. hip-hop. Parce que j'ai un grand frère, un cousin qui dansait et je les suivais comme ça. Donc euh, euh, c'est comme ça que je suis rentré dans la culture hip-hop en tant que danseur. Et voilà, j'ai pratiqué euh, pratiquement sauf le DJ, j'ai fait tout quoi dans la, culture hip-hop. J'ai dansé, graffé et, et les gens m'ont connu plus en tant que rappeur. Et voilà, c'est dans les années 84 quoi, que je, je les suivais et que je dansais, j'ai dansé du breakdance, smurf et autres. Et euh, voilà, c'est dans les années 90 qu'on a commencé vraiment à faire du rap et avec le groupe BMG 44. On on a sorti notre premier album après en 98 Ensuite, en 2000, on a sorti une compilation politicien. Et mm. après, on a sorti notre deuxième album en 2004, Djokma Safarif, album groupe. Après, on a voyagé à partir de 2002. On a, depuis, on a commencé à voyager. On a fait beaucoup de pays européens euh, et là, euh, et africains aussi. Et là, on a vu ce qui se passe, comment ça se passait là-bas et on s'est dit voilà pourquoi pas installer euh, et, créer une chose pareille au, pays. Mhm. Donc c'est ce qui nous a vraiment inspiré avec les arts urbains de Bruxelles qu'on a eu, euh, a eu travailler avec eux et c'est ce qui nous a inspiré pour mettre Africa Urbaine sur pied et à l'époque, on, était les, on était les premiers, les seuls à parler de cultures urbaines. Donc euh, voilà, c'est là-bas où on a découvert le slam qui n'existait pas au Sénégal, les gens ne connaissaient pas. Et je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas faire du slam pour faire découvrir Sénégal et c'était quoi. En 2007, j'ai sorti mon premier truc solo, hmm. Triple Roll, album slam, moitié moitié slam, moitié rap. Donc euh, voilà, après, voilà, c'est ça quoi, Matador. J'ai fait aussi un projet qui est sorti en France qui s'appelle Soba. Hmm. Après Triple Roll, que beaucoup des gens ils ont vu, il y en a qui ont suivi, qui savent peut-être ils vont trouver les images quand tu mhm. fais Suba Centre sur internet tu tu verras il y a un teaser de concert de, tournée qu'on a fait en France un peu aussi en Afrique mhm. et voilà j'ai produit après deux autres albums Vox Populi mhm. ensuite Reugal Nation et là, je m'apprête euh, à sortir depuis l'année passée euh, l'album Djambar. Euh, ça fait trois ans que je travaille dessus. Avec la pandémie, ça devait sortir il y a un an. Mais bon, voilà, c'est ça un peu à ramasser, résumer. Mm-hmm. Le, parcours de Matador. Ouais, c'est vrai qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mm. et voilà, il y a aussi des perspectives, il y a des projets en mm. cours et mm. tout. Mais moi, je voudrais savoir pourquoi Matador a choisi la musique, tu aurais pu prendre d'autres, enfin faire autre chose quoi. Pourquoi le choix de la musique c'est Le choix de la musique, c'est hmm. comme j'ai dit, hein, moi j'ai grandi avec la culture hip-hop, je, ne connais rien d'autre que ça. Euh, hmm. Franchement, pour dire la vérité. C'est dans le euh, sang, quoi. C'est dans le sang, quoi. c'est naturel. C'est là où je sens que je vis, quoi. Quand je suis dans la culture hip-hop, je... Voilà. Euh, c'est c'est ça quoi. Donc euh, j'ai grandi avec, euh, j'ai toujours été dans ça. Je ne connais que ça. Donc euh, j'ai pas choisi hmm. quoi. J'ai pas choisi. Je, parce que j'avais bon. J'ai choisi entre guillemets parce que j'ai étudié, fait des, j'ai fait une formation, j'ai eu mon diplôme, j'avais même commencé à faire des stages et commencé pour avoir un contrat de travail et tout. Après, j'ai choisi de rester dans la musique au lieu de, faire autre chose. J'ai choisi de rester dans la musique et depuis lors, je me suis dit, quand j'abandonne ça, ce que je fais là, mhm. c'est par passion et amour il faut que ça soit une profession, pour moi. Et c'est ce qui nous a vraiment poussé à, travailler plus et mhm. à rentrer dans un euh, cadre plus ou moins professionnel. Et Dieu nous a aidé, m'a beaucoup aidé. J'ai rencontré beaucoup de professionnels. J'ai travaillé avec des professionnels. J'ai fait pas mal de festivals et de scènes où il y a, que, vraiment professionnel quoi niveau, niveau. Euh, high level, quoi. donc j'ai eu cette chance là et je me suis dit que voilà c'est ce qui nous a vraiment poussé à mettre Afrique sur sur on mhm. voyait qu'il y, a beaucoup, avait beaucoup de manquements dans ce pays. Il y avait beaucoup de gens qui avaient l'amour, la passion de vouloir faire la musique ou la danse et autres, mais il n'y avait rien pour les accompagner et pour qu'ils se professionnalisent. Mhm. Et c'est ce que nous a vraiment motivé à mettre une structure où on va accompagner ces gens-là à travers des formations, des ateliers, des échanges, des formations pour, que, pour euh, lever le niveau plus, euh, que, ça devienne un milieu plus plus professionnel, parce que c'était du pur amateurisme à l'époque. C'est important. Je vois que vous insistez beaucoup sur le côté training, sur la formation. Bon, peut-être que c'est ce qui fait qu'au niveau de ce complexe, vous avez aménagé des, pas, des, studios, des locaux, dans le but de former davantage de jeunes qui sont intéressés, qui ont l'amour de la, de, musique, surtout rap, pour plus de précision. Mais ça, ça nécessite des moyens. Alors, comment c'est arrivé et comment vous faites avec les moyens Oui, parce que euh, aussi, euh, la culture hip-hop, moi, personnellement, m'a beaucoup appris dans la vie aussi, de tous les jours, euh, que voilà, il faut jamais attendre à partir de, juste quelques idées, de quelques mélodies, mhm. tu peux avoir ta place dans la société avec la culture hip-hop, tu te fermes quelque part, tu écris des textes, tu, te, tu travailles ces textes-là et quand tu sors, quand tu le sors, tu peux, ça peut intéresser le monde. Quoi. Donc, à partir de rien, la culture hip-hop nous a toujours euh, appris que chaque fois, tu peux aller à un niveau plus donc euh, voilà, c'est comme ça qu'on a commencé avec Africulture aussi. On n'a pas attendu l'État ni qui que ce soit. Donc j'avais la chance de rencontrer l'ancien directeur du complexe Baba Et, et, quand je lui ai parlé, il, il, avait, vite compris que j'aimais cette culture et je comprenais les besoins et, et voilà, il m'a dit, voilà, moi je veux travailler, mais toi tu maîtrises la chose, viens, je vais te donner de l'espace. Et c'était une salle, pas euh, un peu comme ça. Une seule salle. et Qu'on a commencé avec ça. Et je lui dis OK, c'est bon. Moi, je sais qu'avec cette salle-là, on ne paye pas de location, ni de l'électricité, ni l'eau. Donc, on pouvait développer quelque chose à partir de ce des idées qu'on devait pouvoir matérialiser. Et on, je savais là où on devait aller. C'est ce qui a fait que très tôt, l'association, on n'a pas appelé ça hip-hop culture, euh, hip-hop culture, hip-hop parce que je suis hip-hop rappeur à la base, c'est ça. Donc, mais on a compris que ça pourrait atteindre une dimension vraiment internationale et, et continentale. C'est pourquoi on a appelé l'association Afrique Culture Urbaine. C'était compliqué à l'époque, mais aujourd'hui tout le monde parle des cultures urbaines parce que c'est une culture qui s'est mélangée avec d'autres cultures et qui a et aujourd'hui on parle plus de cultures urbaines que de cultures hip-hop. Euh, donc euh, voilà, ça, ça date de 15 ans. On, savait que euh, là, on va aller vers ça. Et aujourd'hui, on a eu raison sur pas mal de choses. On travaille aussi avec la Mauritanie, et on a jumelé même nos deux festivals, les Mali, Guinée et Gambie aussi, la sous-région. On a été voilà, dans pas, pas, mal de pays africains parce que voilà, c'est des ponts qu'on peut créer avec la culture euh, hip-hop qui existe un peu partout dans le monde. Peut-être il y a les autres cultures, on a des barrières, il a des barrières, mais la culture hip-hop, quand tu es dans cette culture-là, où que tu sois, on a les mêmes codes. et ça nous permet facilement de collaborer. Et on s'est vraiment basé sur ça pour développer, euh, pas sur les moyens, mais euh, au départ, c'était la solidarité artistique. J'ai des amis, j'ai des gens, il y a des gens que je connais qui sont dans la culture hip-hop à 100% dans d'autres pays et qui sont des professionnels par rapport à, euh, la, musique MAO, par exemple, et, autres. ils passent aux, des DJ qu'on connaît, ils passent au Sénégal, pour une semaine, deux semaines, on organise des ateliers et on pour renforcer les DJ. Donc c'est des rapports, euh, on a vraiment euh, au tout début c'est sur ça qu'on s'est basé. Ensuite maintenant progressivement ça a commencé à intéresser les ONG, euh, les, les, les, partenaires, des gens qui sont à l'étranger et on a reçu beaucoup de financements extérieurs pour développer les formations et aujourd'hui euh, je pense qu'il fallait le faire pour ouvrir les yeux euh, aux Sénégalais, surtout les dirigeants, parce qu'aujourd'hui on parle de fonds de développement des cultures urbaines. Ce n'était pas évident à l'époque. Et c'est un truc à saluer parce qu'on travaille avec l'argent extérieur pour donner euh, des formations aux jeunes Sénégalais et qu'est-ce que le Sénégal fait pour ces jeunes-là qui sont dans ce secteur. Donc euh, aujourd'hui, si l'État a mis euh, le Fonds de développement des cultures urbaines, bien que ce n'est pas énorme, mais ça permet. Ça nous permet, nous, de dire aux jeunes, avec rien, on s'est organisé pour mettre Africulture sur pied. Il y a le fonds, organisez-vous, formalisez-vous et mettez des projets sur pied et développez ces projets-là. Et c'est ce qui va nous amener ce qu'on appelle l'industrie, que les gens, euh, ils jouent, moi je ne dis pas qu'ils jouent, hein, ils parlent d'industrie, alors qu'ils pensent que l'industrie, c'est une lèves du jour au lendemain pour mettre ça en place. Non, c'est pas comme ça. C'est beaucoup de maillons, c'est une chaîne. Donc euh, il faut avoir vraiment les maillons pour maintenant les rassembler pour que cette chaîne-là tourne. Et quand ça va tourner, ça va produire et on va pouvoir parler d'industrie alors qu'il y a pas mal de choses qui manquent, euh, pas mal de maillons qui manquent sur euh, la chaîne. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de promoteurs. Quand, on parle de promoteurs au Sénégal, c'est des promoteurs de lutte, mais promoteurs de spectacles ça n'existe pas. Je ne parle même pas de boîte de, euh, pour faire tourner de production. Il n'y a pas de techniques côté technique. Il y a plein de choses à faire parce qu'il n'y a pas de formation. Et aujourd'hui, on est sur un projet qui s'appelle Sénégal Talent Campus. C'est des formations et l'État aussi commence à comprendre qu'il faut travailler avec ces jeunes-là. Parce qu'au début, ils pensaient que voilà, les hippopores, ils sont là pour s'anérer, ils sont là pour critiquer, alors qu'on propose aussi. On propose des, on propose des solutions et le secteur doit pouvoir sortir beaucoup d'emplois. Parce que c'est pas seulement l'artiste, c'est la personne qui est devant. Mais derrière l'artiste, il y a combien de gens qui travaillent derrière l'artiste mm-hmm. En son, euh, pour l'image, tout ce qui est lumière, en management, tout ce qui est marketing. C'est des formations. Donc l'artiste, c'est une entreprise, quoi mm-hmm. avec beaucoup de gens qui travaillent. Mais l'entreprise, on ne sait pas qui fait quoi dans l'entreprise. On ne voit que le produit. Mm-hmm. C'est la même chose. L'artiste, c'est le produit. Mais les gens qui travaillent pour amener, pour le mettre le produit là devant, pour vendre ça, il y a énormément de gens qui travaillent euh, euh, euh chez une chaîne. Donc, euh, nous, on essaie de voir les manquements et on essaie de trouver des solutions. Avec Sénégal Talent Campus, avec le ministère de la formation professionnelle, les diplômes, parce qu'avant c'était des formations, il y avait des attestations et tout, mais là c'est des diplômes qui seront reconnus par l'État. Depuis 1960, personne n'a OG, voilà, sont le terrain là pour qu'on ait des curriculums pour pouvoir étudier ou bien faire des formations en son, lumière, régie générale, euh, administration, culturelle. Et ça, on va, on va démarrer avec Sénégal Talent Campus. Et le monde actuel, c'est tout, tout est image. Euh, donc le son et, la lumière, quand on parle d'image aussi, y a, la, lumière ça joue beaucoup. Et aujourd'hui, pour dire que il y a énormément de problèmes dans ce pays, mhm. dans la culture que les gens, ils essaient de fermer les yeux, comme si la culture est là. Non, si la culture est là, il y a, quelques gens, les gens s'en sortent, mais on est loin derrière, quoi. Euh, parce que si on ne peut pas trouver un formateur en lumière au Sénégal, ça veut dire que ça, on n'a pas encore une scène. Bien sûr. <laughs> Moi, hein? je suis, très ravi déjà quand vous dites qu'il hein? y a l'État qui joue sa partition en amont, et ça, c'est important hein? parce que ça dit que les choses euh, sont en train de bouger. Ça, pour être honnête, moi, ça fait plus de euh, presque 30 ans qu'on est dans cette culture-là, et on n'a jamais eu euh, on n'a jamais eu de, subventions subvention ou quelque chose qui venait de l'État pour mm-hmm. accompagner euh, surtout la culture hip-hop ou la culture urbaine. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on a un fonds qui existe, ça fait 4 ans ou 5 ans, je ne sais pas euh, déjà, qui a été mis en place par l'État. Mm-hmm. Et là, j'appelle, je lance un appel à l'État. Il faut augmenter le fonds parce que le fonds là a permis de créer des entreprises il y a des jeunes qui commencent à se formaliser parce que pour bénéficier du fonds, il faut avoir des papiers corrects, il faut avoir un projet, il faut travailler sérieusement pour en bénéficier. Et là, on pousse les gens à créer des entreprises dans la culture et c'est extraordinaire. Maintenant, il y a, d'autres combats euh, qu'on doit mener parce que aussi quand on dit Dakar, je ne parle même pas du pays du Sénégal, mais Dakar, à Dakar, on n'a pas de salle de spectacle pour la musique. Et c'est grave. C'est grave. On a deux théâtres. Sorano et Grand Théâtre. c'est des théâtres. C'est pas fait pour la musique. On n'a pas encore de salle de spectacle. Et là aussi, on a, on a commencé à discuter avec les autorités. Il nous faut une salle, grande salle où on va pouvoir accueillir des artistes. Voilà. De renom. Parce que si on, y a des artistes quand ils viennent ici au pays, tu, peux les amener au stade, hein, mais aussi les salles de spectacle, c'est important. Et là, avec la formation, les formations que nous, que nous allons donner en technique et tout, ces salles-là ou ces espaces-là seront bien gérés par des professionnels. Et on, va, on pourra accueillir à part des professionnels locaux et internationaux. Parce que les internationaux, aujourd'hui, on a vu, hein, on a eu, euh, tu, as honte quoi, parce qu'il y a des, des, des, professionnels, quand ils bougent, ils bougent avec leurs techniciens et autres quoi. Mais il y en a qui bougent seuls et quand ils arrivent, ils donnent leur, comment dirais-je, hum, fiche technique en son et lumière mais quand ils te donnent ça, alors que tu n'es pas un professionnel, tu ne peux pas satisfaire. Les satisfaire, c'est important. Donc, euh, et voilà, c'est pourquoi nous, on se soucie de ces problèmes-là, parce que on a beaucoup fait, euh, on a fait beaucoup de scènes à l'étranger, on sait de quoi il s'agit on ne veut pas que des gens bougent et viennent au Sénégal et qu'ils ne trouvent pas le, minimum quoi, pour avoir une scène plus, euh, euh, plus euh, professionnelle. Quoi. Absolument. Pour revenir un peu sur hum. le, hip-hop Carlsen, quels sont tes rapports avec les rappeurs de manière générale ici sur le plan local ouais, c'est, J'ai de bonnes relations avec tout le monde pratiquement. Hum. Quand je dis tout le monde, pratiquement, voilà, c'est deux, trois personnes, voilà, il y a des je ne peux pas dire que je suis en bon terme avec tout le monde, en phase avec tout le monde, mais j'ai du respect avec euh, euh, vraiment pour tous les artistes hip hoppeurs Déjà, pour moi, c'est une culture hein, pour moi. Et on est des, on est des, homies, des frères. Donc, euh, même si on ne s'entend pas, moi, je, te, je supporte quoi. Je supporte et euh, quand il y a des choses que, qui doivent, qui te concernent, je, je, je, je fais ça avec la personne parce que voilà. C'est, je, suis arrivé à un niveau vraiment professionnel qui me permet plus de rester dans des détails. Quoi. Maintenant, euh, la culture hip-hop aussi nous a euh, vraiment beaucoup éduqués aussi et a fait de nous ce que nous sommes et il y a des choses qui ne passent pas avec moi. Peut-être ça peut passer entre eux, entre d'autres rappeurs et autres. Mais moi, la culture hip-hop, c'est représente, respect. C'est hyper important. Tu dois représenter quelque chose. Le respect, c'est important aussi pour la culture hip-hop. Le respect est hyper important. Tout ce que tu peux avoir dans cette culture-là, s'il n'y a pas de respect, tu n'as rien. Parce que c'est ça la culture hip-hop. Donc, je ne manquerai pas de respect à une personne parce que c'est réciproque, mais aussi je ne laisserai personne me manquer de respect, et voilà, se tirer comme ça. quoi. Maintenant, c'est c'est des attitudes, c'est une façon de, de fonctionner euh, vraiment qui, voilà, oui, mais hum. quelque part, peut-être qu'il y a des gens qui pourraient penser que oui, Matador, il a des idées un peu révolutionnaires. Vous êtes hum. inspiré par qui, en grosso modo euh, Révolution. Des idées. Euh, euh, des idées, parce que voilà, nous, on a moi, je ne dirais pas que c'est Sankara ou je ne sais pas, c'est des gens que je respecte, que j'ai vraiment. mais moi, ce qui m'inspire, c'est le quotidien, ce que je vis, quoi. Et je suis de Tcharoy, je suis de la banlieue, quartier hyper défavorisé et pauvre. C'est ce qui nous a vraiment poussé à être des rappeurs. On nous a on nous taxait de délinquants, de gangsters, de drogués. C'était ça le jeune qui venait de Tcharoy. Les gens, ils avaient honte de dire que je venais, je viens de Tcharoy. Et moi, mon combat, c'était ça. Leur montrer qu'on peut venir de ces quartiers-là et aspirer à être au plus haut niveau dans ce pays et être respecté ces étiquettes-là, nous, c'était ça notre combat, enlever ces étiquettes-là qu'on nous collait juste comme ça, arbitrairement. Donc euh, voilà, euh, ça nous a inspiré et notre quotidien maintenant, on ne peut pas, moi je ne, peux, je ne dirais pas que le jeune qui se réveille de, euh, je ne sais pas, dans quel quartier chic de Dakar, ce qu'il fait, je vais respecter parce que il ne peut pas dire ou penser ce que le, jeune de Tcharoy dit ou un jeune de Guéjaway ou Pékin ou je ne sais pas ou Voilà. Parce que l'environnement aussi, ça, joue par rapport à notre discours et tout. Donc, le jeune de Sikap et le jeune de Tiaroy n'ont pas. Euh, voilà, c'est nous, on est tous des Sénégalais. Peut-être il y a des choses qui nous. Il y a des choses qui, qui, font que. Voilà, on vit ça tous en tant que Sénégalais. Mais particulièrement, en tant que jeune de Tiaroy, il y a il y a des choses qui, voilà, moi je ne peux pas parler d'autres choses, quoi. Parce que c'est la misère que quand que les gens te disent ou oh non, que tu, vois, tu te réveilles, tu vois ça euh, euh, sur le visage des gens. quoi. Mm-hmm. Euh, il y a la misère, il y a la pauvreté, il y a, l'insécurité, il y a, y, a, y a énormément de choses qui, voilà, c'est mon combat de tous les jours parce que, voilà, il faut que ça change. Et si ça change, il faut que ça s'améliore. Et peut-être maintenant, ce que je dis, ça peut concerner et, ou inspirer euh, ou, ou, ça peut parler à un, une personne qui, qui de, de, de, Thiès ou de je ne sais pas quelle localité, même euh, euh, en dehors du pays, qui un jeune qui est mauritanien ou je ne sais pas où, parce que la misère est partout. Donc voilà, ce qui m'inspire, c'est ça. C'est ce qu'on voit au quotidien et maintenant à des niveaux. Ça peut être ce que je vois dans mon quartier, ce ce qu'on voit dans notre environnement, dans notre pays, ce qu'on voit en Afrique, parce que aussi à un certain moment, les discours ne s'arrêtent pas seulement au Sénégal. Maintenant, pour, changer l'Afrique, c'est les jeunes Sénégalais qui doivent changer le Sénégal, les jeunes Burkinabés qui doivent euh, faire évoluer, faire bouger les choses au, Burkina. Et si chaque jeune Africain est conscient que c'est nous, jeunes, qui devrons changer les choses, l'Afrique sera peut-être le futur de l'Afrique qu'on dit là, ça, sera une réalité. Mais il faut que les jeunes, les jeunes Africains doivent être conscients qu'on doit faire bouger ces, les, choses. Ce pas des jeunes Européens, Américains ou autres qui viendront faire ça à notre place. C'est un combat. C'est un combat. bien. voilà, voilà. Euh, ben, c'est un combat où on a remarqué également qu'aujourd'hui nous sommes assaillis par des lobbies. Je parlais des lobbies francs-maçonniques, de moi du terme, de gourdiguer, ouais. entre guillemets. Donc, comment vous jugez, comment vous apprenez, ou bien comment vous, quelle est votre opinion par rapport à tout ça Moi, moi c'est ce que je dis tout souvent aussi. Euh, les Occidentaux, ils ont envie de dicter et de nous dire comment on doit fonctionner. Quoi. Eux, ils ont leur façon de fonctionner. concernant les mariages, eux, ils ne peuvent pas comprendre pourquoi nous, on peut avoir quatre femmes. Et, euh, et pourtant, eux, ils ont des maîtresses. Mm-hmm c'est là, c'est quoi Mais nous, par exemple, ils ne peuvent pas accepter euh, quand ils ont taxé, par exemple, Kadhafi de dictateur, je ne sais pas quoi. Mm-hmm. Alors qu'eux, ils ont encore des rois chez eux. Mm-hmm. Ils ont des rois et des reines chez eux. Et en Afrique, ils ne veulent pas qu'on ils veulent qu'on nous imposer leur dictature. Ils doivent pas. Mais pourquoi C'est quoi mm-hmm. l'essentiel Moi, ce que je peux dire sur la question, on a nos réalités, on a euh, euh, en Afrique, on a nos réalités et nos cultures. Et moi, je ne laisserai jamais tomber ma culture pour s'agripper à une culture que je ne maîtrise pas. Ce qui marche chez eux n'est pas forcément ce qui doit marcher chez nous. Et on respecte, on les respecte en respectant leur choix. Ils n'ont qu'à nous respecter et respecter notre choix et notre façon de vivre souvent, le problème, c'est que à la base, les Africains, leur population subissent, hein? mais en amont, nous avons des leaders. Quel hein? est le message fort que vous pouvez lancer à ces leaders doivent hein? bien sûr euh, voilà, véhiculer, n'est-ce pas, nos aspirations ce que ah, les, leaders, les leaders, encore, ce que je dis là, ça ne serait pas. Les gens peut-être pourront ne pas, ne, pas comprendre, mais je dis que ces leaders-là, ils ne sont pas arrivés là, là où ils sont seuls. On les a amenés là-bas il faut voir maintenant quelle personne, quel genre de leader on va amener au sommet. Mhm. Et quand il sera au sommet aussi, il faut qu'on accepte, il faut qu'on accepte de payer ici des pots cassés, parce qu'il y aura des pots cassés, parce que le leader, quand il a envie de, euh, de créer des ruptures totales par rapport à ce qui s'est passé avant, il faut que les populations l'accompagnent par rapport à ça. Ça ne sera pas facile du tout. Avec les lobbies que tu dis, ça ne sera pas du tout facile. Le leader seul, parce que j'ai l'impression que gars, il faut faire ça, il faut que ça change. Alors que pour que nous changer, que subir et on ne peut pas on ne veut pas subir aussi. Parce qu'on va dire que la vie est chère. Mais non, ces lobbies-là, quand tu vas vouloir mettre fin à certaines pratiques-là, ils vont, d'un embargo, d'un a déjà fait, déjà fait en tant que dirigeant maintenant si tu n'as pas ta population derrière toi mm-hmm. Mm-hmm. ça serait compliqué et là je comprends que c'est ce qui fait que souvent dernier après céder mm-hmm. parce que ils n'ont pas envie d'avoir la population euh, sur le dos parce que ça ne marche pas euh, euh, c'est difficile et tout et l'Occident, les, lobbies et les Occidentaux, ils savent ça. C'est pourquoi, avant de te donner, ils vont essayer de t'imposer. Il y a la FMI euh, à l'époque, ils imposaient euh, à, nos dirigeants la, euh, sur où, quel secteur investir et quel secteur ne pas investir. Et là, ils ont les, souvent les milliers. Si tu ne le fais pas, tu as la population sur le dos. Et si tu le fais aussi, tu sais que tu fais marcher que leur, propre, leur intérêt à eux. Ce n'est pas l'intérêt des, euh, des populations. Et ça, c'est hyper compliqué. Ce n'est pas euh, le combat des dirigeants, mais c'est le combat de tout le monde, de tous les Africains. C'est un, éternel combat. combat. Vous avez fait des featuring euh, avec Soleil Manfaï, avec ouais pas mal d'artistes, hein, que ce soit sur le plan local comme sur le plan international. Euh, comment c'est arrivé avec Soleiman Faye Vous pouvez expliquer Avec Soleiman, euh, vraiment, c'est un grand que. Voilà. Depuis Khalam, j'étais. J'ai des de Il nous a beaucoup inspirés. Hein. Quand on écrit des textes, vraiment, c'est parce qu'il a toujours des messages hyper voilà, fort euh, dans ses chansons. Et Doré, euh, c'est un son que j'ai tellement aimé parce qu'à l'époque, c'était ça. C'était, euh, c'était, voilà, c'est, on a grandi avec quoi. Et si c'est du Doré, et c'est là où on construit quoi. Parce que là, on pense que ce sont les, les dirigeants, les vieux là qui vont construire l'Afrique. Non, ce sont les jeunes. Mhm. Parce que la force se trouve chez les jeunes c'est la jeune donc ndaw moy tabax rew donc quand et doole boobu nag wax ci morceau bi euh, j'ai dit que le grand il a fait le morceau et je on a repris ça. j'ai dit que si nga fa la lay soxla. ce rew fa la lay soxla. fala la seytaan di soxla. Mhm. fala la lepp di soxla si sa ndaw boobu noonu. Donc, euh, euh, pour moi, c'est n'est pas un morceau que j'ai fait pour même pas pour le public. C'était vraiment pour moi. C'était voilà, c'était euh, voilà, faire un morceau avec Souleyman Faye, c'était vraiment quelque chose que, dont j'ai rêvé depuis très longtemps. Musique sénégalaise, film appréciation Ça va mal. Ah, on est malade alors. musicalement, ça, musicalement, ça va mal. Mhm. Franchement, ça va mal. Mhm. Qu'on le dise ou pas, ça va mal. Je ne vais pas dire que c'est les autres, mais on est tous concernés. Mm-hmm. Ça va mal. Et quand je dis que ça va mal, C'est pas seulement les, les chanteurs. Il y a les chanteurs, il y a les musiciens, il y a les animateurs, il y a le public. bouyombo yomb moïdor bon on est perdu tu as parlé de Dabasey. Mhm. tu as parlé de Souleymane Faye. et d'autres et on a Dabasey c'est Tchossan mhm. parce que mhm. et aujourd'hui nous on rencontre des jeunes qui sont nés en France. ils ont des papiers français et c'est des Français mais quand ils écrivent quand ils sont dans ceux qui sont dans le rap ils se réclament de petits-fils de terrailleurs. Parce qu'ils cherchent une identité. Ils cherchent des racines. Et bien qu'ils soient nés là-bas, ils se disent que nous, on est des Africains. Et en ce moment, des jeunes Africains nés en Afrique, grandis en Afrique, essayent de renoncer de, de, leur histoire, de leur passé, de leur tradition, pour essayer de ressembler à un je ne sais pas quoi. Mhm. Et c'est là où ça devient grave. Et aujourd'hui, nous sommes ci monde Un village planétaire Avec l'Internet, ça devient encore plus dangereux. Aujourd'hui, ça peut ramener beaucoup de choses qui sont positives mais nous voulons lay le lu parce que euh, du lu bon nous voulons lay le lu nous voulons muy defee tey si studio bi mën nga fee bañ a Bala balaa ngoon nga jénne loo xam day wër bi noonu la amé danger ni mu lay indilee lu bax non la lay indilé lu bon et Afrique dafa wara arrêter nekk mbëbësu àdduna bi

ba ay idée yu gëna a dañ koy li wax ay déchets toxiques ñukoy jël du ko sa ñukoy sanni ci euh, africain suñu euh, parce que amuñu nuñ ko contrôler wala amuñu vigilance bi mm-hmm. non lañuy des mbalé ci suñu xel yi tamit. Mm-hmm. xel yi xel yi. Mm-hmm. xel yi et vraiment damay gëna lancer appel surtout les jeunes parce que fa la liguer parce que li ñu def sa xel ngay màgg ak moom boo bu nekkee mag loolu bu bu wasaaroo bu dee lu baax la mooy def li ñuy wax ñun suñu particularité moi tax li ni def si suñu développement bu dee le bon la lu négatif tamit mooy li nga xam ne moo ñuy gën et aujourd'hui ils sont en train de semer ay graines yoo xam ni ci biir xelu waxuma la mais les les les les pays les plus pauvres

man bi may dal am na peut-être léegi mu am quand léegi mu am vingt ans quoi bi ma koy njëkk a gis ñaari góor yuy fóonante mais jour boobu noonu bi ma ko gisee Linz la woon Autriche guddi bi yëpp nelawuma dama tiit ci sama bopp parce que da nga doon dégg rek. Mm. mais nga gis ko jaxran ni sa première fois da nga ni yow dem nga safara. sérieusement c'est une donne. là le lendemain nga suis ko mhm. sur le lendemain je suis ko après avant may je foofu noonu dama ko leen romb Je suis ci bàyyi xel mhm. pour dire que première fois je suis choqué mhm. deuxième fois je suis moins choqué moins mais plus après suis banal day dem ba day nekk loo xam ne nit ñi dañ koy romb nii duñ ko faale quoi. loolu politique mooy mooy politique mooy mooy politique bi te commencé na bu yàgg. et tu sais que même du fi ñu ko war a contrôler dafa bëri même ci ay dessins animés pour les enfants dinañ fexe ba mu am ci loolu télé-réalité dinañ fexe ba mu am ci couple bu normal góor ak jigéen góor ak góor. Jigen ak jigen dañ koy dem yow day dem ba day bokk ci réalité lepp luñuy def nak boko setlo dinañ ko ci et c'est comme ça donc ci musique ci ci cinéma daf ci gaaw pour ñu jàllale yenn affaires et là on doit faire attention on doit faire attention parce que nak euh une suñu ay réalité en Afrique quoi et bo gisee ma ma def ciosan parce que tay li ma ci gën a tiital mooy ni j'encadre des jeunes ici et tout quoi danga nga leen wax yenn tur yi xamuñu ñooñu ñooy ñan boo demee université ba lañu ñu tuddee Cheikh Anta Diop ñooy bëri je étudiants ya fay jàng boo leen waxee Cheikh Anta mënuñu la cee wax lu bari boo xamul yaay kan xamoo fa nga jóge lu la yóbbu ci lu la réeral day yomb trop moo tax album bi boo seetloo bële passé réew gaal nation mooy réew gaal gaal tamit mooy pirogue mais gaal mooy waxande nation sa nation dañu war a fier ci li ñu nekk dañu war a gën a gëstu ñun ñooy kan gëstu ñun ñooy kan mooy gëstu fan lañ jóge fan lañu bokk parce que boo xamee loolu du lu ñëw rek yóbbaale la di nga xam foo bëgg nga xam foo bëgg a jëm et bii di ñëw ma ñu tuddee ko jàmbaar parce que tamit il faut que nit ñi xam ni Euh, ku nekk ca la nga nekk danga ca di ca yëngatu ca ngay doon jàmbaar ca ngay doon mbër ca ngay doon star il faut pas ñu ki ñu ñàkkal fayda kenn ki gën a ndaw wala ki ku nekk ci la muy liggéey ñu koy ñàkkal fayda non la ngay liggéey di ci daan sa doole muy lu lu lu di ko def correctement xamal ni jambar nga comme jambar bi dem xare ji comme jambar bi dem euh, football ji pour pour nation comme jambar bi ay jambar ñom lañuy wax Sénégal il faut que ñu commencer di valoriser lolu parce que suñ ko deful ñu ni buzz mais man musuma dégg Sénégal wala bok ku def ben geste positif am buzz. Mm-hmm il faut qu'on se pose ces questions-là est-ce que quand nous ñun ñoo bëgg bon ku ci vous bu se questions bon. question boobu bu la joxete lu bon Donc, ko jël ba muy def buzz mais ñu jël ay exemple ay nit yoo xam ni bu le lu tuuti dañ koo def ci lu positif ñu def ci buzz def leen ci kanam c'est comme ça qu'on va orienter les jeunes qui vont venir c'est ça loolu mooy pousser nit ñi ñu dem ci ay valeurs yoo xam ne dana kii mais il faut comme loolu nag mu lo xam day nek lu collectif lo xam ñepp ci dem bien sûr que mo sank wax naa la public bi parce que public bi li may wax ni mën na baña am sax 1000 vues. Mm-hmm. et il suffisait que ma wax fi benn naka nonu noonu bala maa tëdd mu am million de vues. est-ce que million de vues bob war na tax man may wax lo xam après suba day yàq lu bëri parce que keneen tamit dina bëgg am deux bu mu amee million keneen bëgg a am deux millions dina wax deux fois plus de toj toj que li bi ma wax pour am deux millions keneen def noonu keneen def noonu moi je pense que ni ñun ñoo war a bañ loolu bu ma waxee public bi ñiy déglu waruñu di nangu ñu leen di jox lu bon di n'importe quoi ñu koy ñu koy promotionné di ko partagé di ci wax di ko di ko gën a jox buzz parce que loolu mooy encourager lu bon. kon ñiy wax lu bon gaayen bi day waxkatu lu bon rek la mais yow yang koy encourager pour muy gëna wax lu bon parce que ya koy partager mais loolooy deug bi. donc moi je pense que euh amna lo xamni gaay gars yi ñu koy indil ci suñ société ñun ñëpp xam nañ ni du ñun bokul si ñun paaxul si ñun dunduñu lool mais aussi ñi ngi ubbi ay brèche yo xamni ci ay yenen secteur di ko ñakal fayda fofu lañ koy jaarale ba loolu nga xamni bokul ci ñun dina fi dina fi am cœur te bu fi amé cœur dina fi njaboot te bu fi njaboté musiba lay jur. ok damay euh, damay synchroniser trois questions en même temps. ci hmm. jiitu moy sa famille. Hmm. sa entourage sa milieu nu ñuy gisee Matador sa musique ce qu'il est en train de promouvoir promouvoir et tout ce qu'il est en train de faire ça c'est un. Hmm. deuxièmement ban gis-gis nga am ci soda ni muy liggéeyee ak guddi ñu toll nii. Mm. n'est-ce pas taxawaayam. Mm. musique sénégalaise au niveau des artistes. Mm. Euh, et puis voilà quoi dernière question bi mooy quelque chose d'ironique lu la dal sur scène que ce soit ici comme à l'étranger wala ci studio. n'est-ce pas en plein travail lu reetaan. Ah. bon euh, pour ma famille franchement du si je fais mes interviews ici je fais tout ici. Euh, comme n'importe quel góorgóorlu Sénégal buy góorgóorlu mais ngi jéem a sàmm njaboot gi di ko quoi et vraiment tamit lolu c'est plus personnel dafa melni rek nga bëgg ma laaj ma kan lay soutenir en politique non je vais jamais le dire souvent comme yalla dafa def ni dañuy wax pour ñëpp dañu wara wax pour ñëpp amna lo xamni xam dinañ ko junj dinañ ko wax mais amna lo xamni duñ ci pousse nit ñi euh, donc lolu dañ koy garde pour nous, mais vraiment comme n'importe quel autre Sénégalais ci musique la ñuy dund ci la ñu yor suñu ay njaboot ak suñu ay famille di ci góorgóorlu comme n'importe quel Sénégalais et voilà yalla di ñu suturaal waaw donc euh, benen côté bi moy euh, par rapport ak SODAV SODAV tay li ñu mën wax moy ni dafa am ay ay ay question yo xamni euh dañ ko war régler dañ ko war régler ñu ngi ciy ni ma la rek par rapport ak une salle de spectacle à Dakar du mën na am ci région mais Dakar rek amagu déjà ba ñuy wax région pour la musique loolu lu war a am la on n'a pas beaucoup de festival à part après Fesman ba léegi festival buy attiré attention àdduna bi yëpp Sénégal on a c'est un besoin Sénégal dañ ko à travers la culture aussi loolu day tax tourisme lenen ak lenen dox donc SODAV aussi dafa am question yo xamni vraiment statut de l'artiste par exemple mhm. ce c'est pas encore réglé Ce bu yoy encore buñ ko réglé wul et c'est là où j'attire l'attention parce que ci Covid bi pour ñu identifier les artistes pour séddale xaalis c'était un problème ah parce que préalable yoy non lañu réglé wul est kan moo war organiser kan moo warta organiser comment organiser amna yo yoo fofu lañu soxla suñu autorité yi parce que ay lo xam ci ñom la wara a pour ñu gëna euh, assainir le milieu donc SODAV aussi euh, boudé euh yi respecté wuñu di fay SODAV du mën artiste du mën gis bopam ci li SODAV di def mm-hmm parce que gars yi ni artiste dañ koy promotion donc artiste soxla mais ba duñu fay mais ñoo respecté parce que temps boobu ngay artiste vidéo artiste vidéo artiste ngay xamul ñaata nit ñoo ci xamoo ñaata ci def promotion da vidéo moom amul dara quoi mais naan deretu nit la wala ñàqu nit la parce que vidéo ça a coûté peut-être des millions ñi ci liggéey te bu ñu bëggee aider secteur bi bu ñuy waxee bëggee mu am ay emploi ci vidéo bi ki defar musique bi daf ki defar musique bi studio bi ci liggéey pour musique bi nekk parce que bon amul musique mënoo def vidéo exemple rek laa lay jox ñu liggéey ci studio bi peut-être benn ñi koy réaliser mooy ñiy filmer ñaar ñi koy monter ñi ni ciy fecc ñiy def costume yi ñiy def ñiy def maquillage donc li ma benn vidéo peut-être mine de rien mën nga wax ni li ci liggéey war naa ëpp wala 50 euh, euh, entre 20 et 50 euh, personnes mën nañ liggéey ci benn vidéo ñooñu vidéo boobu fay na leen ay emploi la mm-hmm. bu ñu gis rek vidéo bi Matador nekk si kanam mais mais y a des gens derrière et puis il y tax yenen secteurs yi di di di ay secteur yo xam ay emploi costume yi les les les les décor yi mais dafa bëri ñuy liggéey ci vidéo légui nga défar sa vidéo bobu ak ay millions ñu ko ci télé bi yow duñ la fay dara mais doto def faire bo deful des ñi ci liggéeyon ci bobu yépp dem chômage et maintenant support yi dafa changer c'est ko support yi dafa changé mais tay sa son boko gens internet bi suba euh, bala nga ko ko retrouver ci téléphone retrouver ko ci nga ko retrouver parce que mais nonu nga ñukoy nga xamné am ay support yo xamné dañ fay déglu musique wala ñu vidéo mais redevance du taxe redevance redevances. Si on règle l'État, état on ba ñu et je pense que les gars yi ñu ngi siy def ay jéego ak Aziz grand Azizien que je salue au passage parce qu'il faut que l'état ñu comprendre parce que c'est ce mën a tax artiste, yi di mën dund ci art donc SODAV a na liggéey et je pense que ni si on ñu ko dooleelee gars yi di di fay ni ñu war moy ni ñi ngi régler problème artiste ba nga xamné artiste du amati problème ñu kétal ketal wala ñu koy kétal ak diko ñaanal fi wala diko xawma lan lool dafa wara jéx wa parce que il faut que ñu jox nit ñi seen cieur ak seen gëdd c'est important lool la wax ci SODAV maintenant benen affaire bu rétan lu bi je sais plus là fa bëri ay affaire yu doy mën na doon à l'étranger ouais dafa am affaire waaw affaire yu doy war bëri bëri ay affaires yu doy waar <laughs> en tout cas je euh, plus là euh, xaw ma moo xam ci scène ci studio la la mhm. voilà. bon. que xam naa ne am côté. Matador derrière yàlla côté humour. humour man nag xam rek comme comme comme gars sama gars yi ñoo ma gën neex quoi man xam rek dama xaw hardcore tuuti xam nga <laughs> donc ay bala nga jàppal bàyyi yooyu moom ayu ma si non mais je sais que ni daal euh, quand je suis sur scène euh, c'est là où je suis Matador quoi.

et, et, et j'ai travaillé avec des professionnels. Lola gars, euh, on a appris à maîtriser la scène et le public quoi. Euh, parce que quand il y a le public, on olof, on les ont là. Bon, il olof, benen kill. Et, et souvent euh, loolu gars yi dañ la koy jëwee quoi non grave, bi xam naa ne ma nga ca jululul jël na ay affaires graw quoi damay ça me fait rire parce que ñun loolu xeex loolu moo tax ñu nekk rappeur donc mënuñu woon di xex lolu ba paré et ça nous a daf ñu dimbali ci lu bëri quoi parce que aussi gis nañ ñu bëri ño xamné lolu loolu bokk na ci li encore sen carrière ci lu bëri et que vous pas sax Sénégal kessé ci aduna bi ay artistes yu mag yo xam peut-être ak pression bi ak stress bi nekk ci musique bo amul deug dëgërul dëggantaan moy tout rek di nga jël excitant après jël ben drogue mën après dépendant parce que milieu bu la bu doy war quoi mais ñun comme yalla dafa defone lool lañuy juk di ko par rapport ak suñu localité que ni loolu am du loolu fi bon même bu fi amé tamit du lool rek am am ñuy gëm donc daf ñu ñu et rien que quand tu montes sur scène avec la musique da ngay nekk dimension et l'envie de donner de donner de faire du spectacle moi, moi, moi, sa drogue quoi et vraiment je ne sais pas si répondre à la question voilà mais quelque chose de. J'ai bien répondu. mais mm. pour ne pas mm. avant de terminer, mm. qu'est-ce que vous avez comme projet immédiat instant ni, ni, lu taxaw lu ne non là là là là là mom, c'est il faut que ma jënd album bi xaw ma ci ban façon mais il faut que me dise ko parce que ça fait trois ans ñu ngi ci liggéey depuis daa waroon na jënd jënd naa single El Capo euh, ci biir ka pandémie bi jénne featuring ak Daba Sey c'est album bi la bokk jénne Ninki Nanka c'est album bi la bokk euh, dernier récemment ma jénne euh, afro descendant et je lance un appel gars yi dem leen di seetaan vidéo yi tamit ci internet be dem la ngeen jël jël affaire yi ngeen xol ko parce que aussi voilà mënuñu ni gars yëpp mënuñu def la même chose y a des gens yo xamné dañuy def du fun ño xamné dañuy def du commercial mais il y a des ño xamné ne tamit mënuñu def loolu man mënu def loolu moi ce que je peux faire c'est des musique bu conscient bu engagé bu am ay message aussi les gens ils ont besoin de ça bien que je sais que ni ñu nek di wax pauvreté malheur grève manifestation des fois les gens ont besoin de se distraire aussi aussi de voilà de s'épanouir déglu musique mais aussi il faut pas que ñu nax il faut pas qu'on s'écarte de la réalité ay réalité yu ñuy dund ci suñu parce que dafa metti rek dañ ci il faut ñu koy pour régler ces problèmes là donc euh, euh, vidéo album bi la bok et là je vais sortir ça euh, Inch'Allah d'ici peu de temps euh, l'album le le tudd euh, ko d'ici peu de temps incha Je ah, yow moom xam nga ne émission mënuñu ko jeexal pas rek mënoo maa rëccee trop. il faut nga may ñu dara Slam, Slam, Slam, voilà. dara comme quelque chose Slam, xam salaam Slam, xam. salaam Slam, salaam salaam bi ma Slam, a salaam slam Slam, Slam, Slam, am salaam pour gars yi c'est pas parce que taxaw ci euh, fait divers mhm. mais il faut qu'on se projette le futur pour la l'avenir di xalaat ni fi lañu problème yi donc euh, quand je faisais ça ça fait ça c'était avant 2007. me mhm. euh, texte slam bi ngay wax sa suñu jox la wax taxaw tiim ñu wax ñuy sëgg jaar ci kaw askan bi tëdd su bokkul ñu leen ñeewu ñu leen nawloowu ñu leen yàlla dinañu mës a àtteeg yéen jàmm jàngook jël leen alal jàngoog téye leen aaki leen sëriñ su baax si aaki leen ñaan yu barkeel yi ñu aaki moo seytaan musiba gàtt fan deeyu ñaaw yi denc nañu sunuy nuyoo soxlaatul ngeen ñuy fay yàgg nañu liggéey ngeen lànk bañ ñoo fay teg ci kay indil ñu ay tey yéen li gën a bon su ñun yéen kay dem leen ñu dem dem leen ak seen i taax ñu dem ak suñuy tàppaat dem leen ak seen i village ñu dem ak suñuy baraak dem leen ak seeni oto yu tooy ñu dàqante njaganjaay ba tooy dem leen ak seen i jabar yu jongo ma soxlaaw ñu taar suñuy soxna dem leen ak seen i basin ganila jasner payet brode ñu dem ak suñuy légoos yu rap roode dem leen ak seen or seen xaalis seen jamaa ñu dem ak suñu përëm suñu xànjar suñu ama dem leen ak seen faju ji len seeni clinique bay ñu ci sungu fi reen yi biteel yi ñak yi jël lek len suñu ñak ci ray bur bu ko bu touru diko sim tok ci pot ndox touru lu ëpp touru segam ño len fal fexe len ba buñ len di folli bu fi deret touru bu réew mi dee tak du kenn ñun la almet bi kos ñukoy taal du kenn yeen la dem len ñu dem